waaw asalaamaaleykum euh, man maa ngi tudd Abdourahmane Dia. man maay directeur des études bu institut national d' éducation et de formation des jeunes aveugles bu nekk fii Thiès di école bi nga xam ne mooy école bi nga xam ne foofu la xale yi nga xam ne dañu ànd ak waaye laagu bi nga xam ne mooy déficience visuelle maanaam ñi dul gis wala seen gis-gis neexul noonu ñu xamee ko ci INAS wala INEJA man ma foofu laa nekk nekk fa comme directeur des études. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au ci conseil départemental pour assister à un événement bu am solo ci ñun événement bi dafa événement boo xam ne dañ koo bokkook lëkkaloo kook suñuy mbokk ñi ñoo xam ne ñoom ñooy moniteur yu Thiès représenté wu ci association bi chaque année nous dañu faral organiser ce qu'on appelle l'arbre de Noël arbre de Noël boobu nag dañ convier wa inevja ñu ñew participer ci suñu xalé yi nga xamni ñi nga xamni ñoo ci gëna distinguer wu ci année scolaire bi ak ñeneen ak ñeneen yu bari dañ leen di wutali ay cadeau cadeau yo xamni directeur bi ci bopam moo koy jënd des fois tamit année yëpp passé wa ASS ci bopam diko jënd ñom ñoy ñew di bëggal xalé yi tay ji journée bi nak pour ñun dafa nek journée bu symbolique lu tax mu symbolique ci ñun manam bo xalé xalé yi nga xamni ñun ñoo leen di faral di jangal xalé yooyu presque bo seetee dañuy nek ak ñun neuf mois parce que ñun dañu nek école bo xamné ab internat la internat ku ko wax modi xalé yi fa lañu ñu dëkk fa lañu ñu jàngee waaye tamit fa lañu passer la nuit bo xolé sax samedi ak dimanche ci gëna bari tamit fa lañ koy passer tay nak bu ñu leen génnee mu doon activité bo xamné activité extra muros la dina ñëw di leen bégal fi ñun dañ ci content très bien motax fête bi dal feet la boo xam ni lu rëy la ci ñu ñu lëkkaloo ci ànd ceeg kenn ci ñun mooy Tata jaari Camara Tata Diary Camara kenn du ko présenté mu nekk benn enseignante nag au sein de l'INAGIA enseignante bu am solo waane moom nag boo xoolee moom moo duggal cette journée la ci biir INAGIA naam amoon nañu ay activités yoo xam ni c'est des activités récréatives ludiques bu njëkk ba waa journée bi amu fa woon journée boo xam ne dañu permettre Père Noël ñëw waxtaan ak yi Père Noël ñëw may xalé yi ay cadeau ba pare xalé yi daal di béggee seen biir kooku Tata Diaré moko ko xalaat duggal ko ci biir école motax ñun affectueusement on l'appelle Tata Diaré té journée bi bu ñëwé tamit ñu ñap lañu mobiliser nek ci ginnaw pour de ko donc au delà de cette journée là damay bëgg lancer rek ben appel à toutes les personnes yi nga xamné dañoo xam INEFJA wala tamit xamuñu ko pour ñu mëna gëna jappalé ñi nga xamné ne dañoo ànd ak waay laago am na si affaire bi dal na len manam ñak gis wané xamuñu sax ni mën nañoo continuer sen jàng jàng moomu nak mën naa continuer wu fi ci INEFJA INEFJA dafa nek école bo xamné day former ay xalé silbaha ci walu enseignement général école élémentaire da ci am moyen secondaire xalé yi buñu xassé ba am sen entrance 6e dañuy dem ci collège yi ngeen di gis ni moy collège yi nek fi ci lycée yi ay Idrissa Diop ak Amadou Koli Diop ak han ah, Ousmane Gom buñu paré a dag sen bëfam ba paré dañuy dem ci lycée yi comme lycée Malick Sy Amadou Sen ñu amat ci biir INEFJA tamit ay volet ce qu'on appelle le volet formation professionnelle ci formation professionnelle bobu ñu jël ay xalé di leen di jangal ce qu'on appelle tissage ñuy defar ay

mooy ñi nga xam ne dañuy faral di nekk ci structure yu mag yi nga xam ni soo musaani def say appel ñoom ñoom ngay njëkk a jot ñu orienté la ci biir structure bi ne la fi li nga soxla fii la nekk daa di woo directeur ba wala waa daa di woo docteur ba ca ba fa nekk wala beneen waa ji nga xam ne moom moo yore loolu ndax nga mën am accès ci service boobu yooyu yëpp ay xarala la yoo xam ne dañ koy jàngale foofu ci INEFJA wane nag INEFJA dafa développé tamit ce qu'on appelle l'enseignement inclusif. L'enseignement inclusif, c'est quoi Bon, on sur une capacité d'accueil au niveau de l'INEFJA. dafa bariwul a kaa bari ñun du ñu jël ay lu mat ay 100 et quelques ay vingt personnes qui, gën kaa bari vingt personnes qui ñu être di recruter par année. Ce qui li ko waral que notre capacité est limitée. limité wu école bi dafa tuuti seule école bi nga public. publique. bo xamni mom mo spécialisé wu ci affaire yu silmaxa yoy léegi nak euh, capacité d'accueil bobu vraiment nek na handicap bu mak takon taxone ñu daldi di benen xalat bo xamni moy l'enseignement inclusif c'est-à-dire day doon ay démembrement UNEFJA ñu jël ko yobbu ko tas ko ci biir Sénégal ba nga xamni ñi nga xamni ne amuñu won accès fofu man di jang di ñew donc euh, am nañ ko ci Thiès am ko ci Kaolack am nañ ko ci tamit am nañ ko ci Saint-Louis di ñaan état bi tamit mu élargir dans d'autres régions du Sénégal encore une fois kontaan très euh, bien ci journée bi ñu remercier vraiment nos partenaires ASS di ñaan yalla Yalla yalla Sam sàmm yal na yàlla yi Sénégal yalla yalla Bolle Sénégal ci pays yi nga xam ëllëg ñoom la ñu cité en référence ci walu éducation merci beaucoup jërë ngeen jëf. Euh, asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi tudd Dieye Kouaté président ASS. ASS muy kuréel boo xam ni li ko tax a jóg mooy eh, ànd xale yi yar leen defal seen jikko tàggal leen waaye di leen béggal saa su ne eh, ren nag ñu delluwaat di def li nga xam ne saa su ne dañ koy def muy eh, bégal xale yi diñ ko wax arbre de Noël dee ko fête des enfants loolu nag pour béggal xale yi dañ leen di wan ne xale yëpp a yem xale yëpp a bokk Sénégal moo xam way laago bi nga xam ni bët la way laago ci tànk mooy xam ki nga xam ni dafa néew doole wala way jum néew doole moo xam beneen xale tey nag ñu jël xale yëpp boole leen fii ci conseil départemental ngir jox leen kado cadeau yi nag AICS mënu ko dafa dem seeti ay parrain ut ay nit ñoo xam ne ñu baax lañu yëg xale bëgg xale sopp xale jël seen alal kenn ku nekk ne man parrainé naa ñaari xale ñii ni man jox naa cadeau ñaari xale waaye ki nga xam ne nag moo raw gàddu ga mooy ñi nga xam ne yàgg nañu nekk parrain xale yi ku mel ni El Hadj Eh, gàcce ngalama fa tabarakallah an bu jot mu alalam gu bare bare bare teg ko ci loxo ISS ni may paré na ku melni Lamine Diallo début campagne ñu nek waye Lamine Diallo yàgg accompagner euh ba li muju mu may leen ben camp de vacances bu am solo dalé né camp de vacances de l'excellence di leen xalé yi nga xamni xarañ ñu ngeen may leen vacances ñu mu ñu dañ leen di sant di sant parents yi di sant population sénégalaise waye di ñaan ni e eh, ni ñu bàyyi xel eh, bu président demee ba Sénégal émergent la wax Sénégal émergent d'ici deux mille trente cinq xale yi donc ñoo ko war a yor kon nañu bàyyi xale yi xel defal seeni jikko accompagner leen jàppale leen ngir ëllëg suñu Sénégal mën a jàpp loolu daal maa ngi koy tendre loxo ñi nga xam ni ñooy acteurs de yi ñi nga xam ni ñu ngi jël seen alal di ko def ci leneen waaye def ko fii nga xam ni mooy xale yi eh, jaamu yàlla la boo xam ni kenn du ko rëccu di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm waa ASS ci kaw ba ci suuf kilifa yi directeurs yi moniteurs yi moniteurs yi waaye di gërëm aussi waa INEFJA jaarle ko ci seen directeur ki nga xam ni mooy Saakura jaarle ko ci directeur des études gërëm personnel bi yëpp waaye gërëm xale yi nga xam ni nangu nañoo ñëw tàllal seen i loxo jël seeni i den sant leen gërëm den jox dig daje déwén incha allahu ci beneen fête des enfants yàlla nañu yàlla may fekkee te tal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah temps du conseil le parrain de l'ASS, Monsieur Hussein le, le parrain d'honneur des enfants, M. Ali Mbaye, M. Abdou Aziz acteur de développement, M. le directeur des études de l'INEFJA, permettez-moi tout d'abord à l'entame de mes propos de vous transmettre les salutations de monsieur l'inspecteur d'académie pêché Donc nous ne pouvons que magnifier cette journée qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation et de la formation des, euh, élèves en situation de handicap. Donc l'INEFJA est une école de référence euh, euh, dans l'inspection d'académie de Thiès, dans la formation et l'éducation inclusive. Nous sommes aujourd'hui très honorés d'être ici avec vous, de vous, de partager cette journée de bonheur, cette journée de bonheur de remise de cadeaux aux enfants. Cela montre que l'engagement du directeur de l'INEFJA, l'engagement de ses encadreurs, qui ne cesse d'accompagner les enfants et de partager avec ces enfants-là des moments, des moments utiles, mais aussi des moments de joie. Donc, cet euh, cette de Noël, comme vient de dire Jari, euh, a duré sept ans et nous espérons que ça va avoir aussi d'autres journées rayonnantes et que le bonheur va continuer de s'afficher sur les visages de ces enfants. Donc nous pouvons vous remercier, vous encourager dans cette initiative-là et vous, euh, nous, allons porter notre voix et, et rendre compte à qui de droit cette journée magnifique

donc euh, du me nopp di euh, rendre compte si journée bi nga vraiment journée bu am solo parce que xol une UNEFJA mo fi école bo école de référence là, dans la formation et l'éducation inclusive donc je ngi remercier son directeur di remercier aussi euh, le président de l'ASS di remercier encadreur yi fi nek

c'est avec un grand honneur que je suis là devant vous et que j'en profite pour souhaiter, mes meilleurs voeux à tous les élèves de l'INEFJA ainsi que les professeurs, les enseignants et enseignantes et surveillants et surveillantes aussi. Mais euh, nit ok euh, en la mémoire de Michel Alitine feu à son âme qui était mon encadreur au CERN Mamadou Diaw et que Dieu l'accueille dans son grand paradis et que je tiens à remercier aussi le DE M. Dia et madame Yari Kamara mention spéciale à elle et j'en suis j'en suis vraiment fier de cette journée et je vous le dis ici dont je déjà, je serai le parrain pour, toute l'éternité. Je suis vraiment ému. Je ne peux même pas parler, mais bon, je suis vraiment content. Et je tiens à remercier tous les élèves et que je dis à, aux élèves qui sont à l'INECA, c'est le travail et que ne baissez jamais les bras. Et j'ai un petit poème que j'avais dédié au non-voyants qui disait que la lumière vient de l'intérieur, père, mère, séchez vos larmes, pensez aux enfants victimes de la guerre, pensez aux enfants qui n'ont jamais eu la chance de têter le sein de leur maman, pensez à ceux, à ceux qui tendent la main pour vivre, pensez à ceux qui, dans un froid glacial ou sous la chaleur accablante, dorment dans les rues. Si vous pensez à cela, votre douleur s'apaisera, votre angoisse s'atténuera. Quand il fait quand il fait ces enfants-là pour mériter cela, qui en est le responsable Est-ce les parents Je dirais non. Père, mère, j'ai besoin de vous. De vous pour dominer mon handicap. Père, mère, sachez que l'handicap n'est ni une fatalité, ni un frein à l'éducation, car la lumière vient de l'intérieur. Je suis membre de la Croix-Rouge. Je suis lié, lié à solo. Je suis aussi, c'est ma jigéne Barbi. Je suis mon fédéral, inspection. jaar eh, yi maa ngi lay nuyu bi la xam ne nopp amul kubéer nopp amul kubéer fu ne ngay dégg dégg nañ la ci INEFJA dégg nañ li ngay def ci lu baax ak ni ngay jàngale xale yi yàlla yàlla fay la mais it tey jii war nga beneen passé boo xam ne xamee ma koon ci yow ndax tey jii eh, doo nga fi mbir mi pooj boo xam ne xamee ma koon ci yow mais l'un dans l'autre lépp mbégte la rek li mbégte la ma dégg fii léegi benn discours bu émouvant Bou sama xarit bi wax fii léegi en tant que non-voyant ñu waree roy ci moom ñu ñun ñi nekkul non voyants mais surtout les non-voyants mais nga même ma ma wax ci pare bi bala maa ñëwaat Ousseynou Sène ji a fekk man ak moom ñoo bokk dëkk Jaxaaw à Dakar dit un homme politique mais avant tout un homme social avant tout un homme social les nous yep, yep, yep, dans le département ils ont accès sur le social c'est bon euh, jaayoo Koyta sama doom sama xarit sama rak moom mu bokk ñun ci suñu groupe ñun ak Ousseynou di liggéey daara social am na ku ne léegi Ousseynou nit ku baax la ah soo ne nit du baax naa rek jeex na mais dañu yokk ko moom moomu li may wax yaakaar na du ma ci juum dans le social ici à Thiès amul kenn je bien kenn. personne ku ko jege y en a pas et is li may wax nii ñu dëkk Njaxaaw ay témoin ci loolu heure bii démb rek man ak Doucouré bii sans biir kër ay nit ñu ñëw am ay xew ñu am ay tolof tolof mu naan suma jumbulee dix ans ba joxe naa ko Et si on est 40 000. Sans compter, nous savons que les trop trop vois ont une fièvre, qui ont une jambe, et qui ont une jambe, des politiques. Mais filles, les politiques, ils sont des filles. Ils sont pour s'arrêter sur les hommes. Ils sont des non-voyants. Ils sont handicapé. Moi, je n'ai pas le mot handicapé. bugguma ko dégg parce que ku ci nekk ci ñun am nga handicap boo xam ne mën naa am xam nañu ko wala xamuñu ko man mi taxaw di wax ak yéen am naa benn handicap boo xam ne ku ma ko doo ko xam ku ma ko waxul doo ko xam ndax saa mbët bii nekk nii on l'a opéré deux fois li ma si gis bariwul donc man ak yéen ñi ñoo yem ñaan yàlla lii leen dal

fii lañ war a toog fii lañ war a toog jàkkaarloog xale yi dimbali leen ca lu mën ndax ku ci nekk ñoom ñooñu sa bi sa bilan de campagne xëj na fii en tout cas le dixième le dixième xëj na fii moo tudd léegi le maire Lamine Diallo war na leen fi def je l'encourage ndax moom maa moom ñu ànd ak Ousseynou mais ñeneen ñi jaawee il faut les contacter pour ëllëg émission bii ñëw ñooñu dimbali xale yi ci lu ñuy def dimbali UNFJA monsieur le directeur maa ngi lay di la sant di la gëm la sant ndax dégg naa li nga ci UNFJA nañu gën a góorgóorlu jàppale xale yi ku ci nekk am nga ci mbokk am nga ci jarbaat am nga ci doomu sa sa sa mbokk nañ leen jàppale di dimbali leen donc fi may terminer. Euh, jawe maa ngi lay wax ci kanamu mbooloo mi que ren jii ñun ñoo ko parrainé bi may fii jógee dem suuf ñoo koy parrainé wax naa leen que bay fii jógee bañu fii jógee di dem barsàq Ousseynou mooy parrainé lii te maa ngi leen maa ngi maa ngi leen biral ne li ñu def leen allah on fera le double maa ngi leen di